Euh, on n'a même pas ressenti de rupture. Nous n'avons pas eu besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Objectivement, ça, c'est. On dit que oui, l'administration, c'est la continuité, mais euh, euh, le facteur humain est extrêmement important. On a partout vu, quelquefois, des cas où on a besoin de refaire du plaidoyer, réexpliquer, reconvaincre avant de continuer. Mais nous n'avons pas eu à le faire. C'est un élément extrêmement important. Remercier aussi les populations de Tchadjaï pour leur ouverture. Là, je disais ce matin que le terrain était préparé pour nous. Les gens avaient l'impression qu'on ne connaissait pas Tchadjaï, mais Tchadjaï était préparé. Ce n'est pas que le Tchadjaï avait un problème, mais Tchadjaï avait les atouts pour pouvoir recevoir un projet pareil. Quand on parle de ce projet-là, euh, je vais insister aussi sur deux aspects, parce que c'est une approche recherche. Le CFOREP, nous, nous avons cette vocation, nous avons l'expérience, mais pour ce travail, nous avons eu besoin de, contracter d'autres institutions, le réseau Sigilien et le réseau des jeunes. Pourquoi Parce que nous les connaissions déjà. Nous savions ce qu'ils faisaient sur le terrain. Mais le défi, c'était quoi C'était des produits qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais cette fois-ci, c'était de l'adapter dans un contexte de recherche et de recherche-action. Cela veut dire que ce n'était pas eux qui devaient être les moteurs, mais les ados eux-mêmes. Donc, ils ont fait un travail de transfert. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Ils ont été très ouverts. Bon, bien sûr, il a fallu tenir des réunions pour leur expliquer nos attentes, que vos produits nous intéressent, mais maintenant, il faudrait qu'on les mette dans un contexte de recherche, mais surtout de recherche itérative. C'est pour cette raison-là que vous avez vu qu'il y a des activités qui, crescendo, ont été greffées au fur et à mesure. Bon, euh, pour des raisons euh, liées à des événements, le Covid et autres, le projet a tardé à démarrer. Mais de toute façon, on a vu tout de suite l'engagement et surtout le niveau de préparation au niveau local qui nous a beaucoup facilité la tâche. Donc, euh, disons que ce, travail de recherche-là a fait qu'on a pu identifier en cours de, de mise en œuvre des thématiques la promiscuité, c'est quelque chose qui nous est, comme, elle l'a dit, hein, c'est quelque chose qui, nous est apparu comme ça. Et on s'est dit, bon, euh, c'est un problème parce que effectivement, la plupart des violences sexuelles se font dans le milieu familial et même dans le domicile. Donc, cette notion, logiquement, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé dès le début Effectivement, c'est un problème. Et ça a fait l'objet d'un travail en interne pour voir comment le juguler. Comment en parler, surtout d'abord Comment en parler pour que les gens en prennent conscience et puissent, si je puis dire, adopter de nouvelles attitudes et autres. L'autre élément, c'était que dans, ce, dans cette recherche-action, l'idée, c'était de faire en sorte de lutter contre les violences sexuelles euh, faites aux filles et donc aux adolescentes et les mariages d'enfants à travers la promotion des droits. Mais de quels droits nous parlons Des droits que les Nations Unies ont élaboré, qui ont été validés par le Sénégal et qui malheureusement sont mal compris au niveau local. donc ce que nous avons fait c'était il y avait un travail d'appropriation une bonne partie des messages yi droit par exemple je prends le euh, un des messages, permettez-moi juste de, voir. Euh, un des messages, par exemple, euh, euh, oui, non, c'est bon, c'est bon. L'un des droits, c'était chaque adolescent doit avoir accès à une bonne information et à des soins de qualité. Nous avons essayé de voir dans notre compréhension positive de ce terme-là comment nous, nous l'approprier. Et on a identifié par exemple trois messages. Yar di ko wax li xew ci la bokk ensuite paj mu sell day aar gune gune yi yi ça si vous le voyez sur des sur, des casquettes et autres ces messages là sont dessus ensuite nopp xale na ci xibaar yu wér di ça par exemple c'est un moyen pour nous approprier ce droit là et d'ailleurs nous pensons que il serait utile que pour la suite euh, donc nous, nous, nous, pensons vraiment continuer dans cette lancée-là et nous appelons quand même à avoir un appui, c'est d'élaborer une sorte de lexique de tous ces droits et de voir comment nous pouvons nous les approprier dans nos idiomes locaux. Dans nos idiomes locaux. Et ça, on ferait appel au ministère de la Santé, au ministère de la Jeunesse, au ministère de euh, l'Éducation et autres, de la Justice, pour nous mettre autour d'une table et discuter de ça. Et ensuite sortir ces formes de lexique qu'on pourra après traduire dans au moins cinq langues au niveau local, en tenant compte de la compréhension qu'on en a localement. Voilà un peu une suite qu'on pourrait envisager. L'autre élément, c'est qu'on est parti de, vraiment du, euh, comment de l'existant. En réalité, rien n'a été créé. Si vous voyez bien, on a parlé de euh, grandir en harmonie. Grandir en harmonie, c'est le curriculum qui a été élaboré au début des années 2000 avec le ministère de la Santé dans le cadre d'une étude sur la santé des adolescents au Sénégal. Et donc, c'était la base de la formation des adolescents. Et on a repris cet outil-là, on l'a adapté à la situation et fort heureusement, l'idée, puisqu'on est dans un processus de recherche, il ne s'agit pas seulement de répliquer, on a fait un extrait et de voir comment l'adapter au niveau local. Et on se dit que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui montre une évolution, surtout dans la communication parent-enfant. Si vous voyez, <coughs> moi, je me dis qu'il y a eu, peut-être on ne le sent pas, mais vous voyez, quand on faisait la première étude sur les adolescents, c'était euh, dans euh, la, la, région de Saint-Louis, et Louga, et Durbel était région témoin. Ce qu'on avait vu, c'est que les parents étaient les premiers interlocuteurs des adolescents. C'est ce qu'ils disaient. Nous, nous voulons être informés par nos parents. Quel, était votre, quel est votre euh, euh, euh, interlocuteur privilégié, votre informateur privilégié Les enfants disaient nos parents. Deuxièmement, les enseignants. Troisièmement, les médecins et autres. C'est comme ça. Et ensuite, les amis. C'était au début des années 2000. Mais quand on posait la question aux parents, les parents disaient que oui, c'est à nous d'informer nos, nos enfants. C'est ça qu'ils disaient. Mais qu'est-ce que vous comprenez de la SR Il n'y avait pas beaucoup de choses. c'est-à-dire, il n'y avait pas cette conscience qu'ils avaient des insuffisances. Mais euh, ils se croyaient euh, omnipotents, omniscients, pouvoir tout expliquer à leurs enfants. En, c'était en 2022, on a fait une enquête dans, à, à Fatik, Kaolak et Catherine, dans le cadre d'une autre étude sur la même thématique, avec, euh, mais pas la même approche avec euh, donc, Enabel, euh, la, donc, la coopération belge. Mais là-bas, nous avons identifié une chose, c'est que les parents se sont rendus compte qu'ils étaient dépassés. Tout le monde s'est rendu compte avec les réseaux sociaux, il y a eu un basculement. Vous demandez aux enfants, ils vous disent que l'interlocuteur privilégié, c'est d'avoir Internet. C'est clair, ça sort dans, toutes les enquêtes. Et les parents, on a compris que les parents avaient besoin d'être, voilà. Et donc cette communication-là, on a dit que ça doit changer de sens maintenant. Parce que tous les programmes, si vous vous souvenez, c'était on arme les jeunes pour qu'eux-mêmes aillent parler à leurs parents. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, avec, donc, euh, elle, était, elle fait partie d'une équipe de trois spécialistes. On a créé un nouveau curriculum de formation des parents pour qu'ils parlent à leurs enfants. Et on vient de faire une session de formation de formateurs et on pense qu'une zone comme Tchadjaï est parfaitement préparée à recevoir ce genre euh, d'innovation-là. Parce que c'est quelque chose qui a été validé par la DSME. Hein, ils, ont fait partie du processus et tout. Et donc, c'est un curriculum national. Et nous pensons que c'est une évolution. Mais ici, nous avons utilisé des éléments de ça. C'est un projet en cours, mais nous avons, parce que nous, nous sommes partie prenante, nous avons utilisé une partie de ces, euh, de, ces trouvailles-là dans le cadre de ce projet. C'est pour cette raison-là que, si vous avez vu, on a choisi des thématiques et surtout, on a essayé de prendre les relais. Parce que dans la recherche-action, il n'était pas prévu des relais. C'est en cours de route qu'on s'est dit non, il faut des relais qui vont appuyer les jeunes et qui vont servir aussi de mémoire et qui vont aussi servir de tampon quand il y a problème, c'est le relais, Badianougor et autres, qui doivent être là, parce que l'adolescent, à un niveau, ne peut pas aller plus loin. On a vu avec le problème du mariage précoce, le rôle du relais, euh, pour, donc, pouvoir euh, euh, intercéder. Voilà donc quelques ensembles d'éléments que nous avons essayé de mettre en place. Et comme je dis, nous remercions beaucoup nos institutions qui nous ont accompagnés, au niveau local comme au niveau aussi des partenaires, pour pouvoir vraiment évoluer et apporter quelque chose d'assez spécifique, d'assez adapté à ce milieu-là et qui ne cherche pas à donc, mettre en place de grands moyens et autres. D'où l'idée justement de cet espace ado qui va être, qui devait être et qui doit continuer à être le centre de toutes ces activités-là. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. de tout ça, on suit avec, euh, à travers les rapports, les rapports annuels. Donc on suit le projet, il y a des plans d'action, on essaie de voir ce qui va se faire l'année qui suit, des rapports annuels, est-ce que c'est ça euh, la réalité C'est la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui pour euh, la mission de suivi. Parce qu'entre ce qu'on voit dans les rapports et la réalité, il y a toujours un écart. Parce que tout n'est pas décrit dans les rapports. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout le temps au CRDI et aux partenaires avec lesquels on travaille faites en sorte de ressortir le maximum de résultats dans les rapports. Parce qu'on est arrivé à un niveau où les citoyens canadiens se demandent mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent Parce que c'est euh, les impôts canadiens qui financent tout ça. Donc, à un moment donné, ils se disent développement au Sénégal, mais so what Qu'est-ce que ça fait Quel est l'impact Qu'est-ce que Quel a été le changement Et chaque fois, je leur dis on a besoin des histoires à succès. On a pris une adolescente au niveau 0, on l'a amenée au niveau 2. Il faut toujours décrire ça, parce que c'est les changements de comportement qu'on veut nous. Parce que ces changements de comportement, même si c'est epsilon, en un moment donné, ça fait tache d'huile. Et c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on voit actuellement, et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui encourage le bailleur. Tout à l'heure, vous avez fait un plaidoyer sur euh, la prolongation. Mais pour les prolongations, chaque fois je, je disais ça à ma collègue tout à l'heure, j'ai dit, maintenant on commence à faire des rapports sommaires de gestion. C'est des rapports où on écrit les résultats du projet. Et ces résultats-là sont publiés. Sont publiés, tout le monde, tout Canadien a, accès à ça. Donc, c'est de ça dont on a besoin actuellement pour pouvoir pousser pour, euh, pour un financement. Donc, euh, il faudrait que nos partenaires euh, soient sensibilisés par rapport à ça. C'est très important. Moi, franchement, je dis le consortium Sephorep, Réseau civil Djigin et euh, le Réseau des jeunes, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver, mais euh, c'est impressionnant. Franchement, moi, depuis tout à l'heure, je vous regarde, je dis waouh. Et c'est encourageant, on a tellement de ressources au Sénégal, ça fait trop plaisir. On se dit, mais on peut aller loin, on peut bien faire, on peut changer des choses. Et euh, quand le bailleur vient et trouve des gens de qualité, des ressources de qualité, ça l'encourage. Parce qu'on peut amener de l'argent, mais si on n'a pas les ressources, ça ne sert à rien. On a beau injecter des milliards dans un secteur, mais si les ressources qu'il faut, on ne les a pas, il n'y aura pas d'impact. Et vraiment, vraiment, euh, félicitations, félicitations euh, au, consortium, c'est ça, comme je vous appelle, le consortium. Et euh, ma question, en fait, ce qui m'a fait le plus plaisir aussi, c'est de voir dans vos plateformes, dans vos cadres de discussion, les parents et les enfants. Parce que nous, on a ce... C'est culturel, hein? c'est culturel, c'est partout. C'est toutes les ethnies, je pense. On a toujours, en ce qui concerne la santé de la reproduction, on a toujours ce, euh, cette pudeur à, à en parler entre mère, enfant, père. Et tout à l'heure, quand j'ai vu les papas, j'ai dit, c'est très rare, c'est très rare. Même à, Dakar, je trouve que c'est très rare, a fortiori dans les localités comme, comme Tchadjaï, où vraiment c'est un peu lointain de voir des, parents, des hommes qui parlent à leurs enfants, aux adolescents, parce que tout ce qui est hygiène menstruelle, quand même, c'est plus euh, orienté vers la maman. C'est la maman qui fait cette éducation-là. Mais ça, c'est un changement qui est en train de se faire. Et c'est un changement positif. C'est ce genre de changement dont on parle. Et euh, je trouve que ces cadres-là où on prend en charge le papa, la maman, l'enfant, l'adolescente, je pense qu'on doit vraiment euh, continuer avec ça, travailler avec ça. Et je pense que l'impact est d'autant plus grand. Et surtout aussi utiliser des, cadres d'adolescents qui existent, comme les, organisations de jeunes, les scouts, j'ai vu tout à l'heure, j'ai failli dire. Mais euh, je réfléchissais, je me disais, mais il faudrait qu'on engage les, organisations de jeunes qui sont déjà là, les scouts, les croix rouge Il y a tellement d'organisations. Et j'ai vu, scouts, j'ai dit, c'est ça, parce qu'ils sont tellement organisés, ils sont tellement engagés, ces jeunes-là. Je me dis, mais il faut qu'on en profite aussi. Ils sont déjà là, on en profite. Parce qu'il ne s'agit pas de recréer la roue. Il y a des choses qui sont déjà existantes. Il faut qu'on vraiment qu'on en profite, nous aussi, et pouvoir dupliquer ça à l'échelle euh, nationale. Donc euh, franchement, je, suis, je vous félicite encore, je suis très contente. Et ce que je, la question peut-être que je pourrais poser, c'est par rapport aux contraintes. Comme, comme chaque projet, tout n'est pas 10 sur 10, tout n'est pas 20 sur 20. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des défis. On se dit aussi, si aujourd'hui on voulait mettre en œuvre un tel projet, qu'est-ce qu'on qu'on pourrait faire différemment pour, que, pour avoir beaucoup plus d'impact donc, euh, ça, c'est des questions. Vous qui, étiez, dans la mise en œuvre même, euh, à la base, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait, nous, en tant que. nous faire réfléchir en tant que bailleurs aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour avoir touché un peu plus la cible Ou également aux autorités, parce que c'est grâce à la conjonction de plusieurs interventions les engagements des uns des autres, des unes des autres, que nous en sommes arrivés à ces résultats phares. Bravo également pour euh, euh, les présentations excellentes. J'espère que vous allez nous partager donc euh, la présentation. Nous en aurons besoin. On était tellement omnibulés par <laughs> ce que nous voyons qu'il nous a été à un certain moment difficile même de prendre des notes. J'avoue que connaissant le game de Lalam à Louli Bentenye, Cœur Elage, Cœur Yérim, Fao, etc. Très jeunes. Je n'avais pas leur âge, j'intervenais ici. Parce que euh, j'étais au radier à l'époque pour mettre le droit à la portée des populations, surtout les populations les plus euh, démunies. Donc je connais parfaitement cette, euh, cette zone. Je vois qu'il y a une évolution positive. Bravo à ces jeunes qui ont su mettre en place un organe de presse aussi important que le TV. C'est très important. Euh, vous savez, il n'y a que, a que l'endurance, il n'y a que la détermination, l'engagement qui nous amènera à franchir des étapes. Parce que partout où nous sommes, nous pouvons contribuer à notre propre développement et surtout quand nous sommes jeunes, c'est important. Euh, je sais que j'ai des questions à soulever et peut-être que la proximité aidant, elle m'a marché sur la langue, même si elle ne l'a pas écrasée, en soulevant une question, les contraintes. Parce que dans tout ce que vous avez réalisé, je sais qu'on ne peut pas parler pour le moment d'impact, mais d'effet. Vous, vous l'avez bien soulevé. Euh, quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face pour en arriver à tout ça Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est que les bonnes pratiques, est-ce que vous les avez relevées Parce que c'est important. Ces bonnes pratiques-là, ça va ressortir dans la capitalisation. Vous en avez parlé aussi, la capitalisation. C'est important qu'à chaque étape, vous relevez les bonnes pratiques les leçons apprises, les expériences réussies. Non seulement elles peuvent vous servir, mais elles peuvent servir également à d'autres projets. Parce que là, c'est tout un programme. Hein. Il y a d'autres projets de jeunes, d'autres projets de recherche. Ce qui, ce qui a été réussi par le projet VAR peut être utilisé ailleurs. Et c'est important quand même que les, les, les, les, partenaires du CRDI, quand même que que ces partenaires partagent de leurs leçons, partagent de, de leurs expériences, etc., etc. En tout cas, à la grande satisfaction du partenaire, euh, du bailleur de fonds qui est Affaires mondiales Canada. Euh, en direction des autorités euh, institutionnelles, j'aimerais savoir, est-ce que vous prévoyez, pour une question de traçabilité, relever tous ces résultats-là dans les rapports. Parce que ça, c'est une contribution aussi de la coopération canadienne à la bonne marche, au développement de nos communautés, de nos localités. C'est important qu'à travers les CDP, euh, CDPE, qu'à travers les CRD, etc., que ces choses qui sont importantes, qui sont en train d'être faites par les communautés et pour les communautés, soient connues de tous. Euh, <laughs> j'ai beaucoup apprécié, euh, euh, Monsieur Dien, le fait que vous ayez euh, en vue d'élaborer un lexique pour avoir. Hier, dans une de mes interventions à l'atelier, je disais que le droit, là, on a tellement d'instruments juridiques. Mais les gens ne comprennent pas ces instruments juridiques. Il faut les simplifier, il faut les traduire en langue locale, il faut les, alléger pour que au moins les messages puissent passer. C'est important. Euh, la question de la promiscuité, pour, pour finir mon propos, la question de la promiscuité. Les gens n'en parlent pas, mais les cas de viol, les cas d'inceste sont causés pour la plupart du temps par cette promiscuité et les parents ne le savaient pas, pour une raison ou pour une autre. Euh, Dieu fait que les, les, les, les, uns sont riches, les autres ne sont nantis, les autres sont pauvres. C'est ça la loi de la, de la, de la vie aussi. Hein? Il faut l'accepter, mais il faut prendre les devants. Quand on a une progéniture et qu'on habite des, des, des, locales, enfin, des, des logements assez exigus, exigus, il faut savoir surveiller sa progéniture. Il faut savoir contrôler. Il faut savoir leur parler. Avec ce projet-là, il y a tout un changement, en tout cas ressenti à travers les résultats que vous nous avez présentés. Euh, je vous tire en tout cas le chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Et je pense que avec l'accompagnement des acteurs, de l'ensemble des acteurs, vous pouvez vous servir comme levier de ces résultats-là pour capter d'autres financements. Avec, avec Affaires mondiales Canada ou avec d'autres partenaires, parce que vous avez des acquis notoires. Moi, j'aurais été la présidente de, de, de, de Cephorep. J'avoue qu'avec ces résultats-là, je vais les consolider, je vais capter des financements pour une durabilité de ces acquis et un élargissement surtout, la mise à l'échelle. Vous pouvez, vous pouvez quand même y arriver rapidement. En tout cas, bravo, bravo. Euh, si avec des idées, à ma qualité de technicienne, ça c'est en dehors d'Affaires mondiales Canada. <laughs> Parce que je suis aussi de la société civile. Si j'ai des, conseils, des suggestions à vous donner, n'hésitez pas. Parce que là, quand même, on peut, on peut faire beaucoup de choses encore. Merci beaucoup et bravo au CRDI. Bravo au CRDI. Nous, on a cette chance-là. Nous n'avons que des adolescents, les jeunes, très jeunes même alphabétisés ou bien non alphabétisés. Donc nous restons avec ces jeunes-là pendant trois ans. On a su remarquer qu'en première année, les jeunes qui venaient de, au niveau du centre, il y avait des choses qui restaient à faire. Sur le côté hygiène, côté développement personnel. Donc tout cela, nous, on l'a vécu. Parce que nous, nous sommes là depuis 2014 au niveau de Tchadjaï. Donc nous organisons chaque mois avec le club genre des, des thèmes, des thèmes pour des causeries, pour éveiller un peu nos apprenants. Mais depuis que le projet WAR est là, merci Fatou. Je ne saurais vous remercier. Vraiment, vraiment. Parce que vous vous posez des questions. Mais nous, nous avons les réponses. Avec le projet, ces deux ans-là, nous avons, au niveau des résultats des examens de, fin de, formation, on a toujours deux ans 100%. Pourquoi Parce que depuis 2014, à chaque année, quand nous faisons nos rapports de fin d'année, nous nous voyons que l'effectif, ça, ça a diminué gravement. Pourquoi Parce qu'il y avait les mariages précoces il y avait les grossesses. Chaque année, on comptait des filles. donc, de, bonnes, filles hein, qui pouvaient vraiment, avoir des prédispositions pour continuer la formation. Mais la grossesse, mariage, tout ça. Alors que ces deux ans-là, ces deux ans-là, même nous, on s'est posé la question. Lors de notre euh, conseil de classe, les garçons nous ont dit, Madame, est-ce que vous avez remarqué quelque chose On a dit, qu'est-ce que vous avez remarqué Nos élèves de la première à la troisième année, on n'a pas des, pertes d'année en année. Je leur ai dit, en tout cas, vous faites de bonnes choses, vous qui, êtes dans les, dans les salles de classe. Mais le projet WAR a fait beaucoup d'impact sur la scolarité de ces jeunes filles-là. Donc les jeunes filles restent maintenant au niveau des centres elles comprennent quelque chose. Donc, Fatou, euh, Madame, Madame Nyan, donc ce que vous faites au niveau de Tchadjaï, Madame Diallo, on est fiers de cela. Donc, chaque fois, je me posais la question, comment vous avez fait pour cibler Tchadjaï Comment vous avez fait pour cibler Tchadjaï mais, mais vraiment, vraiment, merci. Merci. En tant qu'acteur de développement, la formation professionnelle maintenant, il est incontournable. Incontournable. Peut-être j'ai une suggestion à faire par rapport à cela. Vous les autorités, les bailleurs, le projet, donc le centre est là. Des fois, nous, on nous amène des enfants du cycle euh, fondamental. Donc, des fois, ils disent que le centre, quand vous, on vous vous n'avez plus la moyenne, venez au niveau du centre. Alors que maintenant, la formation, ce n'est plus ça. La formation, maintenant, c'est un choix. C'est un choix et on est en train de vivre cela. Donc, ce que vous pouvez faire pour nous, vous les Badianougok, merci à vous aussi. Donc, euh, surtout la mairie, aidez nos enfants qui sont dans les maisons de sortir des maisons et venir faire la formation professionnelle. Parce que c'est des choses qui sont, on les voit. Ce n'est pas une chose qu'on dit dans deux ans, dans trois ans, c'est immédiat. Vous avez une formation, automatiquement, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Merci de peut-être revenir un peu sur euh, le rôle de Mme Senghor, parce qu'elle a été la première à nous recevoir. Quand je dis la première, en dehors des autorités, quand nous sommes allés donc, pour la première fois donc, euh, au niveau de son centre, moi-même, j'ai eu une, révélation. Je me suis dit que, ben, parce qu'à Tchadjaï, on se disait qu'il n'y avait pas d'infrastructure. L'idée, en fait, le problème, c'était ça. On ne savait pas qu'il y avait ce centre-là. C'était quand euh, euh, Fatouma a fait une, une cartographie, elle nous a dit, bon, il y a une institution de formation. Donc, nous y sommes allés pour discuter avec elle. Et déjà, elle nous a ouvert ses locaux. Et la première formation en méthodologie de la recherche, bon, je dois vous rassurer, je sais que CRDI, quand on parle méthode de la recherche, il voit très loin. Nous, nous, on a essayé quand même de faire quelque chose de, de, de, basique, de soft, en partant tout simplement de, euh, de la problématique elle-même. Les violences et euh, donc les mariages précoces. Euh, bon, je ne vais pas aller dans, dans, trop de détails, mais pour vous dire qu'on a cherché à créer l'approche par une réflexion à partir d'un arbre à problème identifier les causes et comment apporter. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait. Et on a retrouvé une enquête bis, parce que les adolescentes ont sorti presque l'essentiel des résultats de l'enquête. Oui, vraiment, c'était bon. Et là, on leur, on leur a donné quelques outils pour pouvoir déjà analyser et dire quelle est la cause d'eux. Et c'est là qu'elles ont pu quand même euh, faire ce travail. Bon, donc je dirais qu'elle nous a beaucoup appuyé sur ce plan et elle nous a même euh, donc, euh, parmi, ces, ces élèves, il y en a qui, sont, qui font partie des élèves leaders, en tout cas des jeunes leaders. Alors, pour euh, les défis, effectivement, <laughs> nous sommes dans le domaine de la recherche. Et dans le domaine de la recherche, même celui qui écrit le protocole de recherche ne sait pas là où il va. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas l'habitude souvent de parler des défis, dans la mesure où tout est défi. Tout est défi. On découvre des choses et on apporte. Et la recherche-action, c'est ça aussi. Alors, l'un des euh, premiers, euh, vraiment l'un des premiers défis, c'était les institutions. On s'est dit, bon, on a l'habitude, par exemple, de travailler dans des grandes localités. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était vraiment dans les grandes localités. C'est là que peut-être euh, des choses ont pu être faites et ont pu tourner parce qu'il y avait des institutions. Et ici, il y a, en dehors donc, de la préfecture, de la mairie, ce qui existait, et de l'école, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a dû travailler en créant le lien, vraiment en essayant de le renforcer, entre les communautés et les institutions. Mais faire en sorte que, et l'idée c'est ça, c'est-à-dire le défi, c'est de faire en sorte que, qu'il y ait quelque chose qui reste. C'est pour cette, raison qu'on s'est vraiment évertué à créer cet espace ado, pour que quelque chose reste ici et que ça puisse continuer. Et donc, quelque part là où on puisse aller, il faut essayer de mettre en place quelque chose qui va euh, permettre euh, donc euh, de s'aimer. Moi, c'est quelque chose que le CFOREP a toujours fait. Vous savez, l'hôpital principal, elle a une unité de planification familiale. L'hôpital principal n'en avait pas. C'est au décours d'une recherche que l'hôpital principal faisait partie donc de cette étude-là qu'on a créé une unité de PF et les sages-femmes ont été formées. Depuis lors, l'étude c'était en 97-98. Cette unité existe jusqu'à présent. Les espaces ados, c'est à travers une recherche qu'on les a mis en place. Et le premier médecin à diriger une, un espace ado, c'est le docteur Selikan de l'UNFPA. Elle était à Saint-Louis. C'est de là que on a, on a mis en place les normes et tout. Dans, le premier, dans la première stratégie, de, de, santé de la reproduction. On a mis les normes en place et tout. Et c'est Spado maintenant, tout le monde en parle. Quand on en parle, elle est là. Je lui dis, mais quand on parle de ça, qu'est-ce que ça te fait Parce que réellement, c'est elle qui a travaillé sur ça, qui l'a documenté et tout. C'est dans le cadre d'une recherche que nous avions menée ensemble. Donc, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des institutions et qu'elles soient vraiment, comme vous dites, l'ancrage institutionnel. C'est fondamental c'est fondamental, quel que soit le niveau. Aujourd'hui, c'est le préfet, demain, ce sera un gouverneur, après-demain, ce sera... Mais la fidélité avec eux, ce qui peut nous rassurer avec eux, c'est que nous sommes sûrs que l'information va être relayée ailleurs. Et nous avons déjà des informations, j'oublie le, médecin-chef, je parle du, préfet, j'oublie le médecin-chef, et nous savons déjà qu'il a déjà parlé à ses supérieurs. La région médicale nous a, euh, de Thiès nous a déjà touchés sur ça. Bon, de manière euh, informelle, pas de manière directe, mais nous savons qu'ils sont déjà informés. Et ça, ça compte beaucoup. Et déjà, la DSME est informée. Donc, nous, c'est vraiment un des éléments clés, même si nous faisons de la recherche, nous faisons de la politique aussi derrière cette recherche-là. <laughs> Voilà, voilà. Je vais essayer de répondre à quelques questions liées au, au défi, aussi les, les bonnes pratiques rencontrées, les, les, bonnes, les bonnes, pratiques qu'on a enregistrées, je, veux dire, aussi les contraintes rencontrées et les défis. Donc pour les, euh, bonnes pratiques qu'on a enregistrées, on peut signaler que le message a, été entendu. Les populations se sont appropriées du message du projet c'est pouvoir Vraiment, euh, et on s'inquiétait déjà de ces messages parce que nous sommes dans un milieu conservateur. On est dans un milieu qui serrère. C'est vrai que est un melting pot, mais le terroir est serrère, Djegem, où, les populations ont une culture de peur. Donc parler de, euh, de dédication sexuelle, ça, ce n'est pas évident dans ce milieu. Mais heureusement, vraiment, on a, on a remarqué que les populations se sont appropriées. Parce que le mal était là. Les populations veulent qu'on règle ce problème. Parce que si vous voyez dans les, dans les, au niveau de nos services, dans les statistiques, il y avait beaucoup de conflits qui, qui étaient liés à ça. Donc, on pourrait euh, enregistrer que les bonnes pratiques, que le message a été appropriés par les acteurs, les jeunes filles, ados et aussi les partenaires, par exemple les parents, les relais communautaires, les autorités. Quand je parle de l'autorité, c'est l'administration, la justice, autre là. Les délais quartiers, les délais quartiers, les Badjanougor. Maintenant, sur euh, le défi, moi j'ai relevé deux à trois défis. Le premier défi, c'est que la tenue des activités. comme je l'ai dit par rapport au, milieu, c'est un milieu conservateur. On n'était pas, évident de tenir toutes les activités qu'on a recensées ici. vous pouvez euh, inviter des gens, surtout euh, les femmes et les jeunes ados, et que les parents s'opposent à ça. Mais heureusement, ce défi-là a été relevé, et largement même. L'autre défi, c'est la pérennisation du projet. Je vous l'ai dit à l'entame de mes propos et même dans mon bureau. Il faut maintenant, nous avons un nouveau défi à relever. C'est de pérenniser ce projet à travers le centre ADO qu'on a installé. Donc le centre n'est pas encore fonctionnel. On a besoin euh, de la rendre fonctionnelle. Il y a des équipements euh, qu'on doit compléter il y a aussi un personnel qui doit être choisi et formé pour que ce personnel puisse prendre en charge les cas de violence basés sur le genre. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi que j'ai noté, c'est l'extension du projet. On, a, on est intervenu dans le centre urbain de Tchadjaï, alors que Tchadjaï polarise beaucoup de localités. Beaucoup de communes et les populations de ces localités viennent chaque jour ou bien régulièrement chercher des services sociaux de base, santé, éducation, commerce et autres. Donc euh, souvent, ces gens, des cas, les mentalités qui viennent, euh, qui converger à Tchadjaï, ont besoin d'être prises en charge, d'être sensibilisés sur le mal, et d'être encadré pour qu'on puisse intervenir à temps avant que le mal ne se fasse. Donc, euh, c'est ces trois défis que j'ai relevés. La tenue des activités par le projet CEFOREP, vraiment, je les tire le chapeau. Ce n'était pas évident. On est dans un milieu conservateur. les, les, défis à relever, les deux défis à relever, c'est euh, la à, travers la fonctionnalité, euh, la prise en charge médicale à travers le centre ADO et l'extension du projet. C'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Des défis qui sont relatifs spécifiquement à la, recherche, parce que c'est un projet de recherche-action. Donc quand on mettait en œuvre les travaux de recherche, d'enquête et autres, donc euh, la première contrainte, c'était vraiment l'atteinte des cibles. Parce que par exemple, à l'enquête quantitative, on parle des thématiques qui sont un peu sensibles et tabous. On parle de sexualité, de SR. Donc, et nous, on a des normes éthiques qui nous régissent. On vient avec une fiche de consentement. Avant d'enquêter de, il faut l'autorisation du, du parent. Donc, pour avoir l'autorisation là, d'enquêter l'ADO, ou bien même le parent, son consentement de parler sur le domaine de, de l'ASR, c'était compliqué. Donc on a essayé de le surmonter avec quelques notions et techniques de, collecte de données pour, pour essayer de pallier à cela. Donc l'atteinte des cibles par rapport à la sensibilité de la thématique, ça, ça a quand même, euh, ça été un, défi. L'autre chose, même à l'enquête qualitative, euh, on avait euh, des cibles, disons, beaucoup plus diverses. On avait la gendarmerie, on avait des médecins, on avait des imams. Par exemple, à la, gendarmerie, on avait des difficultés, par exemple, de, les enquêter à, l'enquête de base. Donc l'accès direct là aux cibles pour collecter des données, ça a été vraiment une, une contrainte. Bon, ajouter à cela d'autres aspects environnementaux comme la pluie et ainsi de suite. Donc l'autre défi, euh, donc, qui va rejoindre un peu ce que M. Euh, monsieur le préfet a dit, c'est peut-être les moyens, parce que Tchadiaï, c'est une commune chef-lieu d'un district. Maintenant, pour intervenir au niveau des autres zones, ça, il faut des, moyens. Donc ça aussi, ça peut être euh, noté. On est toujours un peu surpris hein, de l'ampleur que ce travail a produit. Et vraiment, on remercie tous ceux qui ont eu à contribuer à, ce résultat. on attend toujours les résultats de l'enquête euh, finale pour, être, euh, pour vraiment donner euh, une, valeur scientifique à ce travail. c'est vrai qu'on a eu des, défis. Il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'on a eu aussi beaucoup de chance. on a choisi le, bon site. on est tombé sur les bons interlocuteurs au bon moment. Et même si on a eu beaucoup de retard, euh, c'est ça qui nous a permis quand même d'arriver à ce, résultat. Euh, donc de la part des autorités, on a eu vraiment une bonne, euh, une bonne, une bonne ouverture. le CRD également a été très souple dans ses procédures. Parce que si, on regarde le, le protocole de départ, comme le disait le coordonnateur, il y a eu tellement d'imprévus, il y a eu tellement d'activités qu'on a eu à rajouter pour pouvoir, euh, euh, pour, pouvoir pour, qu'on puisse retomber sur nos pieds. Hein, euh, donc on a eu à faire tellement de modifications que bon, je pense que si on regardait le budget de départ et le budget de la, à la fin, bon, ça n'a rien <laughs> à voir. Donc cette souplesse que, vous que le bailleur a eue vis-à-vis de nous, et je pense que tout le monde, tous les, acteurs de terrain peuvent en témoigner, on a eu à, rajouter tellement de choses que finalement, ce qui était prévu, on, enfin, on s'est vraiment ajusté à ce qu'on avait eu comme contrainte sur le, sur le terrain. Euh, donc, si je prends par exemple l'exemple des, pour amener le, changement de comportement, ça, ça a été un défi parce qu'on ne savait pas comment faire pour, pour amener euh, ces, jeunes filles à, adopter ces nouveaux comportements. Et finalement, c'est l'idée des brigades qui est sortie, euh, pour lesquelles on a, qu'on, a constitué. Et ensuite, c'est après que l'idée d'utiliser ce curriculum de formation Grandir en harmonie pour pouvoir les amener d'un point A à un point B. Euh, donc c'est au fur et à mesure que les idées sont sorties et qu'on a eu à proposer certaines solutions et qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et Bon, apparemment, on a eu de, bons résultats. Alors peut-être les défis encore, euh, c'est dans l'assistance judiciaire euh, qu'il faudra, euh, qu'il faudra adresser dans le futur. et puis également peut-être au niveau de la, pour ce qui concerne ici la prise en charge médicale, pour qu'il y ait une gratuité complète pour les victimes. Parce que si, certains examens sont disponibles ici au niveau du centre de santé, euh, par contre, d'autres ne le sont pas. Et à ce moment-là, les parents sont obligés de payer pour pouvoir euh, euh, honorer certaines choses. Donc là, peut-être c'est en direction des autorités, c'est de voir de quelle manière l'assistance judiciaire que l'État fournit à ses victimes puisse faire en sorte que, même si l'examen n'est pas disponible sur place, que même si le patient est transféré ailleurs, qu'il puisse également bénéficier de, ces, de, ces, de cette gratuité. Parce que à ce moment-là, c'est déjà une victime, mais s'il faut payer en plus pour pouvoir euh, euh, surmonter ces difficultés et bénéficier de certains, certains soins, à ce moment-là, on, est encore une deuxième fois victime, puisqu'on est obligé de payer encore pour pouvoir se en, pouvoir en bénéficier. Voilà, donc je, remercie encore à nouveau les, uns et les autres euh, pour leur, euh, leur ouverture d'esprit et leur, euh, et, ouais, et leur souplesse. Voilà. Bon, je vais, je vais d'abord commencer par magnifier le travail colossal qui a été établi par le projet WAR en compagnie de Sephora. Vraiment, j'ai été ébloui par tout ce qui a été réalisé au niveau de, de Les vidéos m'ont vraiment agréablement surprise. Maintenant, je vais parler euh, en tant que point focal SRJ du district sanitaire de Tchadjaï. Je vais peut-être un peu revenir sur euh, quelques activités qui ont été menées ces dernières semaines dans le but de pérenniser et surtout d'élargir toutes les activités qui ont déjà euh, été faites au niveau de, la commune urbaine de, de Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été élargie au niveau de toute la commune. Donc déjà, on a eu à rencontrer les ados jeunes. Donc euh, j'ai euh, été aidée par euh, Mme Nian et le point focal genre euh, scolaire, Madame Nian. Voilà. Et je pense que elles m'ont coopté des jeunes qui ont déjà eu un bagage intellectuel. Donc là, je n'ai pas eu besoin de faire une très grande formation parce que j'ai vu que les jeunes étaient déjà bien outillés. Il fallait juste peut-être revenir sur le bon fonctionnement euh, de l'espace ado parce qu'on euh, a eu à faire une rencontre avec euh, le MCA qui a représenté le MCD ce jour-là, avec la chargée de communication du district. Donc les, les, jeunes ont vraiment eu à adhérer à ce projet. Donc là, je pense que la, la mise en place des ados jeunes au niveau du centre de santé a déjà été effectif. Maintenant, peut-être je vais euh, prêcher pour ma paroisse parce que j'ai demandé au médecin-chef euh, de m'aider à former parce qu'ils ont déjà les bagages, mais il faut peut-être euh, les aider parce qu'avant, ils faisaient des activités dans, au, niveau, au niveau externe. Maintenant là, il faut les aider à ce qu'ils puissent pérenniser les connaissances et, peut-être même élargir pour leur donner encore plus de bagages intellectuels afin qu'ils puissent euh, attirer, parce que moi je leur ai parlé euh, qu'il fallait attirer les autres jeunes au niveau de, l'espace ado. On est aussi revenu avec les jeunes sur le fait qu'ils euh, sont là, War Demna, mais nous on est là. <laughs> voilà, je pense que, je pense que nous, nous, nous, on est là pour les accompagner. On est là pour essayer de pérenniser et peut-être même, euh, même pour euh, le réseau des brigades parce que j'ai eu à rencontrer les brigades la semaine passée. On va essayer de continuer les brigades au sein de Tchadjaï. Dès la semaine prochaine, la première activité a, déjà été prévue au niveau de la commune de Tchadjaï. Donc je pense qu'il faut d'abord pérenniser Tchadjaï avant d'élargir. Euh, peut-être aussi, euh, à aussi, on a déjà copté des perados. Peut-être que le MCD va peut-être m'aider à rapidement former les jeunes. Voilà, parce que j'aimerais bien avoir une formation collective pour ne pas former Tchadjaï et laisser en rate les autres postes qui disposent déjà de coins ados. J'aimerais que tous les jeunes du district puissent partir du bon pied et pouvoir avancer ensemble. J'ai l'impression que Tchadia est d'ores et déjà euh, bien, en avance par rapport aux autres jeunes. Et il faudrait eux, ils puissent aider les, jeunes qui sont de l'autre côté. <laughs> Tchadia est déjà en avance. Parce que j'ai eu à être à, à mais je me rends compte qu'il me faut un gros travail à faire de ce côté-là. Parce qu'ils n'ont pas encore euh, les bases, les bases qui puissent leur permettre de développer leur espace ado aussi. Donc vraiment, ça c'est un plaidoyer que je lance à, à toutes les autorités qui sont là. Et j'espère que ça va se faire bientôt, Inch'Allah. Donc, salle de réunion. Et c'est aussi un réel plaisir aussi de voir l'équipe qui était derrière ces forêts. Parce que quand on vous voit aujourd'hui, on sent que vraiment il y avait des gens engagés qui étaient derrière pour accompagner l'équipe qui était là sur place. Donc euh, aujourd'hui, je ne devais même pas parler parce que mon patron est là, mon MCD. <laughs> Mais bon, en quelques mots, je vais juste vous dire que en tant qu'assistante sociale, parce que quand même, euh, je suis à Tiadjaï depuis 2014. Donc, mine de rien, j'ai fait 10 ans. Et les cas de VBG viol étaient là avant ces forêts. Donc aujourd'hui, on ne peut pas évaluer en matière, parce que l'évaluation c'est quantitatif et qualitatif. Mais en question de chiffres, moi en tant qu'instant social, qui recevait ces cas et qui continue de recevoir ces cas, j'ose dire qu'il y a un impact positif, c'est-à-dire qu'il y a une expérience réussie de ces forêts qui est là. Parce que cette année, j'ai reçu quand même des cas de viol, de substitution de viol et de VBG mais la plupart de ces cas nous viennent des zones environnantes. Ce qui veut dire que quand je parlais du maillage du district au début du projet, c'était ça. Parce que tiajay est une commune parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je reçois plus les communes de ou autres communes que tiajay Je peux dire qu'à ces forêts a réussi. Mais nous, on va parler en tant que district qui a 15 PPS, 15 postes de santé dans d'autres zones. Et aujourd'hui, ce que nous avons ici à Tiagaï, commune, si on pouvait l'avoir dans les autres communes, les quatre restantes, je pense qu'on parle les moins de VBG et moins de cas de violence sexuelle. À Tiagaï, cette année, je peux parler de substitution, on n'a eu que deux. Et, et comme le commandant l'a dit, c'était juste parce que ce n'est pas à nous de déterminer si c'est un viol ou pas. Mais ce que nous avons reçu par rapport aux autres années précédentes, où on recevait 10 cas, voire 8 à 10, je peux dire quand même, en question de balance, quand même, il y a une amélioration. Et ça, c'est grâce à ces forêts. Autre chose que j'ai remarqué, parce que aussi les activités, j'étais là, et de passage, je remercie et félicite la SR qui était là avec moi, Madame Diop. Elle est partie à la retraite. Aujourd'hui, j'ai une sœur qui peut-être a la chance de m'accompagner lors de, euh, de l'échange à de prestataires. J'étais avec elle. Donc, déjà, elle s'y connaît en matière de ses forêts et ses activités. Il y a une nouvelle équipe qui est là, une équipe jeune, parce que si on voit, et ça c'est l'initiative du MCD, de nommer un point focal SRJ pour le district, mais aussi elle a nommé une, une sage-femme qui est responsable du centre ado de Tchadiaï. Elle est là, Madame Kanté. Donc nous avons aujourd'hui les jeunes, elles ont quand même une référence quelque part. La sage-femme, elle est là sur place. C'est elle qui va vraiment nous aider. Parce que moi, en tant qu'assistant social, chargé de d'autres aussi programmes, c'est un peu difficile. Quand je vais vous dire que je serai ici H24 pour accompagner ces filles, c'est compliqué. Parce qu'en plus du social, je gère le volet communication, il y a autre chose. Il y a aussi le volet VIH qui est complexe. Je suis là en tant qu'assistant social. Donc, je suis vraiment débordée par les programmes. Mais j'ai quand même une équipe qui est bien soudée, une équipe qui est prête vraiment à travailler et on va travailler en synergie. Et c'est l'occasion aussi de féliciter Madame Nian et Madame Dien parce que lors de notre première rencontre ici, elles ont copté les filles, nous avons fait une séance de travail et à partir de ce travail, il y a un plan d'action qui se prépare. Parce que quand même, Sephoret est venu en premier et la DCME, comme le docteur l'a dit, on a eu à vulgariser vos actions au niveau de la région médicale. Et ça, ça a permis à la DCME de comprendre que vraiment, à Tchadiaï, il y a le besoin d'avoir un espace ado au niveau du centre de santé. Parce que nous, on n'avait que deux espaces ado. Ndiagadiao et Ficel. Tchadiaï n'a jamais eu d'espace ado. Mais quand Sephoret a eu l'idée, le ministère aussi est venu en appui. Et je pense que quand on va faire la visite, vous saurez que en plus de ce que vous avez donné, la DCME quand même nous a donné quand même du matériel pour l'espace ado. Et parlant des activités, il y a le point focal SRH qui a parlé de l'activité de cette rencontre. Mais il y a une activité phare qui a été aussi menée. Parce que j'ai eu quand même à faire, et ça aussi c'est toujours avec l'aide de Mme Yann. Parce qu'il fallait faire le tour des écoles, du CM au centre de formation professionnelle, en passant jusqu'à l'élémentaire, les classes CM2, pour la bonne gestion des menstrues, la lutte contre les IST, la lutte contre les grossesses non désirées et aussi les relations. Donc c'était tout un paquet que j'ai eu à développer avec mes sœurs sages-femmes qui m'ont accompagnée pour faire ces activités. Donc ça aussi, je peux dire que c'est une activité qui a été menée juste après vous. Mais Sephoret est toujours là. Et je vais revenir quand ma sœur parle de War est partie. Elle, parle en question d'argent. Et ça, je pense que je l'ai dit tantôt, l'autre fois, avec euh, les jeunes nous c'est le ministère de la santé nous c'est la santé publique on n'a pas les finances vraiment comme le projet qui était là qui nous aidait pour avoir la collation le transport il faut comprendre que vous maintenant vous faites partie de nous c'est la communauté nous c'est le district on n'a pas de finances le peu qu'on a des fois nous vient du de la DCME un paquet d'activités qu'on doit dérouler on déroule l'activité après on essaie de continuer avec nos maigres moyens pour dire que les pères ados qui sont là, il faut qu'elles comprennent ou qu'ils comprennent que nous, quand on va les appeler, des fois, c'est avec zéro franc, mais au moins qu'ils sachent qu'ils sont là que pour l'intérêt de la population. Ça, c'est un point, je pense, qui a été abordé l'autre fois. L'autre chose, j'ai beaucoup aimé ce que le professeur Diadio a dit, la prise en charge. La prise en charge des VBG et la prise en charge surtout des cas de substitution de viol. Moi, j'ai de sérieux problèmes. Parce que c'est une prise en charge à long terme. Il y a le volet médical qui est là, mais il y a le volet psychologique et social qui est là. Et c'est très important. Et souvent, c'est un volet que nous négligeons parce que le social n'est pas trop connu. Mais nous qui sommes dedans, on sent que des fois, l'orientation même de la fille n'est plus médicale, mais elle a besoin d'un accompagnement à long terme. Et pour ça, il faut que la population comprenne. Et quelle est cette population Normalement, ça devait être la population du district de Kiagaï. Mais malheureusement, on n'a qu'une partie de la population mais ça c'est déjà bien parce que quand on parle de pérennisation j'ai beaucoup aimé et moi je dirais même plus loin pourquoi pas c'est on a besoin de vous parce que li c'est une expérience réussie parce qu'aujourd'hui, si moi des filles arrivent dans mon bureau pour me dire que j'ai besoin de la sage-femme après l'activité faite dans les écoles combien de références j'ai reçues ici des jeunes filles qui avaient besoin des consultations surtout sur le plan sexuel. Les IST, la gestion des menstrues, des fois elles ont peur de parler devant l'heure. Pourtant, elles me trouvent dans mon bureau pour me poser des questions. Et j'ai pu les référer à la maternité. Mais le hic, le problème majeur, ce sont les finances. Parce que la prise en charge, nous, on aurait aimé que cette prise en charge soit gratuite. Et ça, je pense que l'autorité là, quand le professeur Diadou parle, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un plaidoyer que eux, normalement, il devait nous aider à porter au niveau central. Parce que pour un cadre seulement de substitution de viol, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être aidé. Excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est juste pour vous dire que les réalités qui sont là. J'ai eu la chance d'être aidé par un projet, c'est le projet Sansas. Mais quand on vous dit que, mine de rien, le bilan gynécologique qui est demandé, ça coûte plus de 40 000. Parce que le gynécologue, quand il est là, il recherche quand même toutes les antigènes. Parce qu'on est là pour la prévention des IST, du VIH, mais aussi d'autres choses. Donc il y a des analyses qui ne se font pas à Tiagaï. Nous, on a contractualisé avec un laboratoire privé qui est à Caisse. Pour éviter le déplacement aux patients jusqu'à Caisse, les, techniciens prélèvent, mais c'est le laboratoire euh, privé qui technique. Maintenant, pour ces analyses, il faut les payer. Et ce sont des analyses qui coûtent excessivement cher. Ce qui fait que des fois, la prise en charge, elle est un peu limitée. Nous, on aimerait bien faire, mais quand nous n'avons pas les moyens. Moi, en tant qu'assistant social, j'ai mon cachet pour aider, mais aider avec quoi Ce qui est existant. L'existant qui est là, ça, je peux donner. Mais ce qui n'existe pas dans le centre, vraiment, je pense que ça aussi, ça, ça fait partie des défis. On doit voir comment aider ces jeunes-là en cas de situation, en cas de besoin de médicaments, en cas de besoin d'analyse poussée, comment faire pour bénéficier de ces examens. Parce que commencer une prise en charge, après quelques deux, jours, trois jours, finalement, nous, en tant que professionnels, on ne se sent pas bien. Donc, vraiment, c'est en conclusion, je, félicite et remercie pour vous dire que forêts vous avez beaucoup fait. Euh, je un remerciement. Comme Nico Nyepouare, monsieur le sous-préfet, il a été très disponible di beral remerciement madame Fatou Sall damay fàtte sa Fatou fi <laughs> elle a été vraiment très disponible donné que corps et âme pour la réussite de ce projet euh, di remercier walé madame Diallo mi a bu ñëwee fi day wacce bopam bu adolescente vraiment ñi ngi leen di di remercier aussi madame Bien, mi doon and ak ñom remercier aussi les parents des ados parce que c'est pas facile ñu confier ñu seeni dom. matin midi soir ça, nous ñu soxla xalé yi rek dañuy naan dem di remercier aussi son principal parce que nous, tété lui aussi affaire bi du yomb mais à chaque fois que ma soxla xalé le prince daf may laaj mba du impacter les euh, enseignement apprentissage ma ne ko non non je ne demal di remercier xale yi aussi di les féliciter de passage euh, di remercier madame Sambou wax naka léegi à chaque fois que ma am lu référé dama koy automatiquement daf ma len di jëlal en charge adolescente bu ma am problème bu am problème suma ma madame Sambou mu jëlal ma en charge ak madame Diouf xaar ma taxaw fofu tuuti c'est pas du tout facile dinañ jël xale yi wax na ko li fi nekk ci ay soins dinañ leen ko defal mais nag des fois mu am problème waaw bu affaire bi soree tuuti rek dina am problème yenn saay avec mes maigres moyens ma jàpp si mais c'est pas tout le temps que laa ciy mën a jàpp laa su ngeen ñu si mënee jàppale bu baax dinañ jël monsieur Dieng de passage am na toilette yu ma la ñaanoon xale yi à chaque fois dañ may topp moy buñu ñu en période amna na toilette toilettes, def lycée elles sont au courant de cela légui à chaque fois dañ ma kay demander euh, concernant benen demande aussi les serviettes hygiéniques am nañ ko mais nak su ngeen ñu ci mënee jàppale yeen autorités yi ak yeneen yi nga les sous-vêtement la vraiment dina nous arranger parce que gis nañ ne règle des fois day douloureuse xalé yi dalen di yakal le fait que nga avons sa kër nga jóge sa kër ñew ci dara ba la serviette ñi fa mais yeneen matériel fa pour que xalé bi rester sur place changer wu ba pare tok continuer ay couram là aussi bëgg nañ ngeen jappalé ci voilà di projet bi monsieur dafa wax lu am solo projet la parce que yalla dakaa denk bu ma koy feelu ci loolu xale laa dëgg la demaguma fen mais man aussi yàlla dafa maa denk njaboot bu jigéen yàlla nag natoo ma jigéen dafa nekk lu ma neex euh, responsable genre bi ñu ma jox CM nekkul hasard jigéen dafa nekk lu nekk sama xol te jigéen nekk loo xamante ne nag dafa vulnérable dafa sensible ma nekk ci di liggéey ak samay morom yéen projet waar ngeen ñëw fekk si ñu si di ñu si jàppale mënuñ lu dul jaajëfal leen euh, jaajëfal leen ci loolu ngeen ñu si jàppale parce que xale yi instant yi classe boo dugg xale yu jigéen yi ñoo si ëpp kii wax na ko léegi Serigne Cheikh mais au fille du temps dañuy gis ne majorité boobu day wàññeeku lan moo ko waral cité nañ ko fii léegi léegi yéen ngeen ñëw taxaw ci lool pour que loolu arrêté fekkoon ñu ci terrain bi ngeen dooleel ñu jàppale ñu vraiment dañ leen ci dimbali di leen ci jaajëfal te beneen fee dafa am classe boo dugg tey suñu école jigéen ñi ñooy jël première mën nga konte ba cinq première jigéen lay doon nee naa leen à chaque fois da ngeen ñuy siggil li ma am habitude di leen wax ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër ñi ngi koy wone présidence moo ñu dese te incha dañ koy jëli am nañ future présidente mi ngi sama ginnaaw voilà donc projet bi dañ leen di jaajëfal bu baax té di leen naan man madame Niane personnellement je m'engage à préniser les actions entreprises déjà ñi ngi ci té bu soobé yalla, bu ñu yàlla mayee wér ak wérle ak féké ak tal dinañ ko continuer je prends aussi l'engagement de mes ados Nous, dañuy dem genre j'avais eu la chance aussi de faire participer d'autres ados ay élèves 4e, kon e dinañ jël relais bi je m'engage et je prends l'engagement de mon établissement Inch'Allah, nous sommes là et nous serons là pour le projet mais nak bu mu lool dañ leen koy ñaan projet bi daal sincèrement ñi ngi leen di ñaan ngeen ngeen continuer ñu ko à Thiadiaye merci. gërëm nag Fat Sall ak maam ñaan ma parce que lu mu mun a nekk projet waar doxalul boppam ba ñëw fii bi mu dox bi bi ko ñeneen bi leen ñeneen yebalee ba ñu ñëw ba ba mu ñëw ba fii ci seen loxo lañ ko teg ñu tasaare ko ci suñu diggante may sant nag di gërëm ci loolu di leen wax nag ni projet waar daf fee fekk ñetti façon. ñetti kilifa la fi fekk ay kilifa yoo xam ni du papa ak yaay rek de papa yaay yumpaañ tànta maam ak yëpp mu fekk fi ñoo xam ni yaakaar nañ ne ay nit yu bokk du am lu mun a dox seen diggante mooy xat-xatloo bi moo indi xat-xatloo ñu yaakaar ni ñu bokk rek dinañu seexlonte ba dara du fa xew bés bu fa dara xewee nag yuuxu jib ñu ne nag seytaane la walla nàngam la ñu fekk fa ñoo xam ni ay kilifa yoo xam ni du ñu wax seeni doom dara parce que ñemewuñu ko fekkaat fa yeneen kilifa yoo xam ni taluñu seeni doom parce que dañuy dem di dellu si papa nekku fi yaay toogul ñu bàyyi xale yi rek ci biir kër gi loolu moo indi dégâts yi fi waar fekk waaye nag ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que benn bu ci nekk dindi na ko adoo yi fi nekk nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nañ dund ba doon ay mag parce que fi am na ñaari projet yoo xam ne dajale nañ leen fi ñu def ñu def brigade bu nekk ñu jël fa ñaari ado waaye ñoom ñi leen yoo ñoom projet yooyu dañoo yéemu ci yàlla am na ci koo xam ne sax moom bëgg na fexe ba à Thiès mu def lu mel noonu gaw ma nag mu yomb parce que waar dafa ñëw ak ay pexeem ñëw ak dooleem ñëw ak waaraateem kon ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di leen ñaanal lii yàlla bu mu fi yem yàlla na dem ba ngeen wërale ko Sénégal yépp ba ñu génn Sénégal sax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te ñu fexe nag ba parents yi léegi sax ñoom la ñu jëkk a waxtaanal kenn ku ci ne xam nga sa bopp xale yii tamit macha allah ci ñoom ñoom it kenn ku ne xam nga sa bopp parce que keroog tontu yee ñu tontu foofu ak waxtaan ba ñu waxtaan ak ndaw sa ba mu ne man bëgg naa lu mel nii du caaxaan kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm madame jërëjëf yàlla na fi projet bi yàgg. di rafetlu projet bi. ndax depuis ca commencement ba léegi ñu ngi ci ànd ak ñoom waaye ñoom résultat yi ñu def bu ñu leen waxee avant ñuy def résultat yi am nañ ay gàllankoor yu bari wala dal nañ ci seen kaw ay yoon yoon am na ñoo xam ne taxaw nañu ci ay bërëb di wax am ñoo xam ne jaar nañu ci réseau yi di leen sànni ay xeer di wax naan ñii dañoo bëgg a yàq xale yi ndax bu ñu leen teelu tamaye dañuy caaxaan ñoom dégg nañ ci ay wax gis nañ ci ay bind yuñ bind ci caajaay info di leen ko sànni ñuy loolu di seet nan la ñuy def ba yee nit ñi kon ñoom jaar nañ ci mu metti lool ñun ñiy yëngu ci côté diine itam am na ci ñoo xamante ni seenam njàng soriwut saa su nekk dañuy contester li nga xam ne moom la ñuy def ndax dañuy jàpp ne ay tubaab yu ñuul ñoo indi lii seen gisin foofu la toll ñu tudde seen bopp ay ndongo daara ñu nekk ci daayira wala ñu nekk ci benn tarixa ñu gëmloo leen sëriñ ba waaye seenam njàng soriwul ci seen diine ngir ñu mën a xam li ñuy défendre lan la ndax islaam dafa am cër bu mu la jigéen dangay am ay doom yu bari mais benn bu jigéen nga ciy am donte ne moo mag ñépp nga jënd sëri ji indi ko ci kër gi su naree manqué nee na xañal góor ñi donte ne ñoom ñoo gën a tuuti da nga jox ko jigéen gi kon gis nga cër bi mu la jigéen ndax dafa yëg ne jigéen dafa néew doole dañ ko war a protéger moom ku jigéen gi bu magee sax moom la ñuy jox te bàyyi rakkam yu góor yi pour mu pour ñu muñ ñoom ndax ñoom la ñuy jàngal muñ ñii nañ ko protéger nañ leen protéger te aar leen projet bi nag ñëw taxaw taxawaay boobu noonu am liggéey bu rëy boo xam ni def na ko ca yaay ndax ñun xam nañ ci dara ndax dañ ñoo fekk ñu yor école arabe école arabe ba la ci ëpp di ay jigéen ñuy liggéey ci ñoom depuis des années ñu nekk ci loolu di dajale ay nit di leen former ci ay ziyaaraat pour ñu gën sàmm ngir ñu gëna aaru di leen jema formé ngir ñom ñu gëna a seen bop way ñu dund seen ni ko wara dundé dunde terewul woon ñu ngi doon am ay gàllankoor yu bari ndax bo yéré jigen juy jang alcorane day am lèr xalé yu góor yi di leen song ñepp di leen bëgg ngay protéger lu nekk dala ci doon gar lu nekk dégg na yi ngeen xamanteni mom ngeen fi indi xamna nak j'avais fait un résumé mais je pense pas que dina ko mëna a yépp mais l'essentiel c'est quoi D'abord, je pense bien que c'est bien de savoir d'abord Djegem TV c'est quoi. Il faut que je vous présente d'abord la chaîne locale et que j'aimerais tout simplement que vous preniez note car je vais aller très très vite. D'accord Alors permettez-moi également tout simplement de vous dire qui sommes-nous. C'est très important en réalité. Mais avant cela, j'aimerais féliciter solennellement les bailleurs. Vous avez assuré, vous avez également enflammé la machine et que sans vous, je pense que le projet de Moussé existait et que vous avez apporté une main forte pour que tout cela, n'est-ce pas, soit réalisé. Félicitations et merci beaucoup. Alors, Jigim TV, c'est une société de production audiovisuelle est spécialisé dans la création de contenus originaux et de qualité, basés sur des valeurs d'innovation, de, création ou bien même de créativité et d'excellence. JGM TV également offre des services de production sur mesure pour répondre aux besoins variés de ses clients. JGM TV également s'engage à fournir des produits finaux qui captivent et inspirent le public. Djegem TV également est aussi un média. Nous sommes dévoués à informer, inspirer et divertir nos publics locaux, qui est Tchadjaï, mais aussi partout. À travers nos reportages, documentaires et émissions spéciales, nous mettons en lumière les événements, les initiatives et les enjeux qui façonnent notre commune, notre terroir qui est Djegem. Et je vous demande tout simplement encore une fois d'applaudir JGM TV. Nous sommes JGM TV alors. Alors, permettez-moi également, j'ai passé mes remerciements, n'est-ce pas, aux bailleurs, mais aussi aux m Nous avons eu à travailler pendant des années. Nous avons fait également des émissions télé. Nous avons assuré la diffusion n'est-ce pas, de vos activités à travers nos plateformes digitales comme YouTube et Facebook, mais aussi nous avons également un canal, ou bien un canal très important, un canal quotidien qui est le réseau, n'est-ce pas, câblé, un réseau quotidien. Vous savez que nous avons, euh, une scène ou même un bouquet, n'est-ce pas, qui transmet ou bien qui diffuse les contenus, les programmes de Diagam TV. D'ailleurs même, je vous raconte une anecdote. Hier, quelqu'un m'a appelé en me disant que, mais attends, JGM TV, j'aime bien ce que vous faites en réalité. Vous vous assurez tout simplement ce qui se passe ici à Tchayaï, mais aussi vous sensibilisez vraiment la population à travers les activités, mais plus précisément le projet WAR. Que je vous demande encore d'applaudir le projet WAR encore une fois, parce que vous êtes entré tout simplement d'abattre un travail exceptionnel, voire même colossal. Projet WAR, vous nous a permis tout simplement d'augmenter nos nombres d'abonnés grâce à vos activités. et également les nombres d'abonnés sur les réseaux câblés. Et que cela témoigne tout simplement votre travail, n'est-ce pas, qui, mérite euh, d'être apprécié, mais aussi d'être félicité. Vraiment, je pense bien que vous avez reçu le pari. Félicitations alors. Merci beaucoup. Ça a été une euh, journée très, très informative, très, très productive, à mon avis. Donc, euh, félicitations à tout le monde, à tous ceux et celles qui, qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. Euh, au début de la rencontre, de la présentation, je pense que notre collègue ici nous a rappelé que la problématique de la santé, de la reproduction des, des jeunes filles est un, est un sujet euh, difficile à aborder est un sujet euh, multi, avec beaucoup d'aspects euh, au niveau économique, social, sanitaire et autres. Donc vraiment une problématique qui requiert beaucoup d'intervenants, beaucoup de, de collaboration, d'engagement de, de plusieurs acteurs. Donc, je pense que dans la salle ici, on peut, on peut voir que vous avez réussi à faire ça à amener différents acteurs euh, sur la même table de discussion, donc vraiment relever ce défi d'avoir de, euh, d'avoir des interventions isolées, mais plutôt euh, une prise en charge holistique de, de cette problématique-là. Donc vraiment un grand, grand, vraiment félicitations, félicitations d'avoir pu, d'avoir réussi à faire, à relever ce défi et pendant les discussions, les présentations, vous avez euh, démontré, souligné euh, comment vous avez mis en place des, plateformes ou renforcé même des plateformes déjà existantes pour assurer cette euh, pérennisation du projet qu'on est en train de parler ici. Donc vraiment capitaliser sur ce qui est déjà existant. pourquoi inventer la roue si on a déjà des des produits des, euh, qui, sont déjà en place. Comme grandir en harmonie, ce n'est pas quelque chose que le projet a mis en place, mais vraiment capitaliser sur des produits qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà euh, qu'on peut, qu'on peut continuer à, faire même après le projet WAR et aussi pourquoi pas dans d'autres localités de, de Tiadiane comme euh, euh, monsieur le Préfet nous a, nous a dit, il y a, il y a des besoins ailleurs. Donc, est-ce que, comment on peut euh, encourager ou même euh, apporter les autres localités à regarder ce qui se fait ici et dire, ah, mais pourquoi pas nous, on peut le faire aussi. Donc, vraiment, ça, c'est des, des, points à, à, souligner, importants. Vraiment, des, une, des forces de ce, de ce projet, c'est vraiment d'avoir rassemblé tout ce tous ces acteurs, tous ces euh, partenaires ensemble. Et euh, un autre point à souligner, c'est vraiment euh, sur ce point de pérennisation du projet. Il y a Madame euh, de Centre, oui, qu'elle a, elle a souligné comment les jeunes filles restent vraiment dans les dans l'école, au centre de formation. Ça, c'est une, ça, c'est un aspect de, de, de, de succès. si ces jeunes filles arrivent à avoir une vie active prospère grâce à ce projet. Ça fait partie de, des réussites, même des, acquis du projet, mais aussi de, ces, de, de cet élément de pérennisation du projet qu'on parle souvent. Comment on peut euh, nous assurer qu'on euh, on continue à avoir des succès euh, plus, que, plus que après le projet, je veux dire. Et un autre aspect que j'aimerais souligner, j'ai entendu tous les témoignages ici dans la salle, je pense un aspect très très important, c'est vraiment la prise de conscience du problème. Ah, vraiment, une fois qu'on est conscient, même les jeunes, mais pas seulement les jeunes, même nous, euh, tout le monde à la salle ici. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect à souligner et à, garder à l'esprit comment on peut amener à faire des discussions avec nos pères, avec les parents, avec euh, nos collègues à vraiment à continuer à, travailler pour, euh, pour l'amélioration de la santé des, des, jeunes filles et des jeunes garçons aussi. Et euh, la lutte contre euh, les VBG, c'est quelque chose de très, très important qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ça a amené beaucoup de gens à, dans la communauté à, à, prendre cette prise de conscience. Comme on dit souvent, un problème identifié et à moitié résolu. Donc, vraiment, à continuer à capitaliser sur, euh, sur ces aspects-là. Et euh, je, je, pense je vais vraiment m'arrêter ici, mais encore une fois, vous féliciter. Euh, mais avant que je finisse, je pense qu'il y a un de nos collègues ici de AMC qui a parlé de documenter comment vous avez vos, vos, vos démarches, votre démarche, les leçons apprises, et ainsi de suite. Euh, ce n'est pas quelque chose que vous devez nécessairement faire. Ce serait génial de le faire avant la fin de du projet. Mais même après, on est là. On est là pour vous soutenir aussi. On est là pour euh, vous aider à, documenter euh, cet apprentissage. Euh, c'est sûr qu'il y a des, plusieurs façons de le faire. il vous, vous, pouvez le faire de façon comme dans la communauté, mais aussi à l'échelle régionale, à l'échelle nationale même, pour que les autres puissent apprendre de, votre expérience. Donc, euh, nous sommes là. N'hésitez pas à nous, à nous appeler, à faire... Euh, euh, ouais, et puis comme ça, on va travailler ensemble. Eh merci encore et bonne continuation. Et félicitations encore une fois au projet, au projet WAR. Ce projet qui a tout à fait euh, il, un projet répondu par ses actes, euh, par le déroulement, mais aussi par le degré d'implication de la population. Parce que quoi qu'on puisse dire, euh, par le, au nom du maire, je tenais à féliciter personnellement la population de Djaïaï. Parce que quoi qu'on puisse dire, il elle a su s'approprier de la, du projet, vu les résultats qui ont, fait, qui ont retenti tantôt, mais aussi féliciter le CFREP parce qu'on a eu à partager beaucoup de choses, on a eu à euh, s'épauler dans le cadre du projet pour dire tout simplement euh, que le projet a atteint le soleil de Sterlite. Donc nous vous félicitons encore une fois et vous dire que le projet ne doit pas s'arrêter là. Euh, c'est une demande sociale. Qui connaît Omerium parle de social. Lui qui est très social, donc quand on parle de sa population, quand sa population a besoin de quelque chose, là, il est là, il est toujours présent, présent financièrement, présent de par ses actes, mais aussi présent de par tout ce qui, euh, tout ce qui prévaut pour que le projet aille dans le sens euh, positif. Donc je ne vais pas, euh, ne pas être long. Pour, non seulement je vais remercier encore une fois Madame, Madame, Madame, Madame Nyan, Madame Fatsal et Madame Nyan, parce qu'on a eu à partager beaucoup de choses on a eu à travailler aussi dans d'autres domaines. Euh, je, ne pourrais pas terminer sans pour autant rappeler une question qui a été débattue tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, euh, j'avais pris note, c'est-à-dire, qu'est-ce que, que prévaut les autorités pour la traçabilité Donc, je voudrais dire par là, Tchadjaï a besoin de ce projet. Tchadjaï a toujours eu des projets de ce genre. Maintenant, pour capitaliser ce, que nous avons eu euh, de ce projet et prévoir d'autres projets, je crois qu'il est impératif de se baser sur la traçabilité de ce projet, des bienfaits de ce projet, pour permettre aux autres projets qui vont venir euh, une base une base moderne, une base pouvant servir euh, de suite pour tout ce qui va avec. Donc c'était une question euh, débattue, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de réponse. Et pour cela, on a besoin de ces informations au niveau de la mairie, parce que, parlant tout à l'heure, on a eu une statistique vraiment satisfaisante ce qui nous permettrait, dans le cadre du, de, la commission santé qui, qui, existe au niveau de la mairie, d'approprier de ces informations afin d'en faire quelque chose de, très important au niveau de la commune. Donc, Donc nous avons une difficulté si le projet bi nan la doon un début bi na metti parce que ku nous sommes sénégalais ak esprit nous suñ toogee di yenn sujet yoo xam même parents nous duñ am porte bu ubbeeku pour waxtaan si ay ak seen doom yi dafay metti moo tax parfois pour ñoo rassembler quinze ado pour waxtaan ak ñoom da doon metti de trop sax da doon de trop mais au finish suñuy xel di dégg kii nii lu ñuy jot a réaliser ak lan lañuy xale yi xam-xam buñ ci jot am ñoom ñooy si boppam ñooy ñoom ñooy jàpp seen loxo seen doom yi pour and leen ñu assister si causerie yi affaire bi metti woon na metti woon na mais au finish ñun ñoo ngi nii xam nañ luñ liggéey te tey jii ku dégg luñ liggéey naw ñu franchement en tout cas affaire bi leen la waar waar la woon te ñun waa waar bay nañ waar bi amul leneen lu ci toog ñun ñoo ngi ñaan nag affaire bi mën a continuer parce que am nañ ay rakk yoo xam ne dañuy màgg te ñun ay mag lañ kenn xamul yàlla di dogal ëllëg donc suñ sañoon tey ngeen jàppale ñu projet bi ba ba alentour bon au début quand on commençait d'abord on avait trop de failles les tracts et autres pour animer les causeries parce que bah étais là ils te regardaient du genre tu dis quoi après après genre tu devais être là tu avais des tracts mais il y avait Tata Fatou Sall et les autres qui étaient derrière nous qui nous poussaient ils disaient persévérer persévérer ça va aller après, au finish, on a pu parler sans trac et sans faille. Euh, maintenant, on a un fort caractère. Parce que avant, on peut dire que nous faisait, on commençait à répondre, on souriait comme des folles. Mais maintenant, euh, <laughs> maintenant on, a su, euh, on a su avoir un fort caractère sur ça. Maintenant, on sait dire non. On n'a plus de sujet tabou. Ce qu'on veut dire, ce qui nous dérange, on dit sans tabou. Euh, on n'a plus de failles ni de traces. Le projet nous a vraiment aidés. Euh, grâce au projet aussi, on a eu des mamans, Tata Fatsal, Madame Nyan, Tamam Nyan, ce sont des mamans. Elles ont su être des pierres de roc, nos étretons et tout. Elles nous ont vraiment beaucoup accompagnés durant tout ce cursus. Et euh, un big merci vraiment. Et pour en revenir, non, aujourd'hui il n'y a pas de genre. <laughs> Du coup, euh, je dirais que le projet a su mettre en nous un fort caractère. Maintenant, on peut dire qu'on est des leaders, des femmes fortes. Euh. Bon, cette faiblesse qui était en nous, avant, on prêtait même pas euh, conscience au mariage d'enfants, aux violences Basé sur le genre et euh, les violences sexuelles. On n'y prêtait pas attention. Des fois, on voyait quelqu'un qui subissait des mariages d'enfants, mais on passait comme ça. Mais depuis le projet, on a dû dire, maintenant, tout, un euh, tout en chacun qui fait victimiser une fille, on le met en prison ou bien on le dénonce ou bien on fera de tous nos moyens pour sauver nos pères, essayer de donner les bons conseils et les bons exemples. En ce moment, nous sommes des miroirs, des références. Là, c'est à nous de donner les bons exemples, de montrer qu'on peut le faire, qu'on veut le faire et qu'on va le faire. Merci. c'est du sérieux il faut le maintenir s'il y a lieu de le kidnapper il faut le faire non sérieux parce que parce que non sérieux c'est juste pour vous dire que c'est du sérieux non honnêtement parlant parce que parce que dafa projet bi nga xam impacté donc donc s'il y a lieu, nous euh, parce que tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait des solutions. Bon, ce que des suggestions par rapport à Tchilolo. Donc pourquoi pas, il manque adresser la mairie, le maire. Donc s'il y a lieu, le calendrier culturel la mairie bi ñu ciy genre programme humain, ça touche beaucoup de jeunes quand on parle de jeunes ça du du du élèves mais il y' a y' a y' a y' a y' a des des jeunes yi nga xamante ne ci école ñu ci leneen donc il faudra que ci activité culturelle yi nga xamante ne journée culturelle yi nga xamante mairie bi moo ngi koy am ñuy ñuy invité genre projet yu mel nii ñu ciy def ay débat ci def ay genre théâtre wala di yu donc ça il faut il faudra noter ça beneen bi moo di nekk sànq maa ngi wax insérer bon monsieur le maire pour ne pas marcher sur votre langue donc lu bëri wax nañ ko suma c'est juste pour ne pas pour parler motax donc euh, journée culturelle yi nga xam day am ci école journée ñu insérer genre programme s'il y a lieu sax ci leçon yi élèves yi ñu insérer ko ci curriculum ñu juste euh, imbriquer, même bu temps ñu insérer ko ko temps bu ndaw bi nga ñu dugal ci genre programme yi nga xamante noonu day ça touche beaucoup de jeunes muy deuxième muy beneen muy beneen beneen beneen beneen beneen point bi donc pour terminer parce que lépp wax nañ ko fii pour bañ a le projet là nañ ko maintenir nañ ko maintenir parce que ñun ci l'aspect judiciaire ñun dañuy dimbale lu bari non sérieux man man man man je suis catégorique ci li may wax le projet là nañ ko maintenir te avant de quitter ici, j'aimerais bien que nous nous ayons une garantie pour que le projet ça va continuer d'exister. Non, sérieux. Parce que le bar, n'est peut nous pouvons pas. Monsieur Diada, il ne faut pas rire. Le bar, nous le pas. Nous pouvons pas le bar. Mais Balanga Dak Kiol Al aussi, vous le maintenez. Donc la population de Tchadia sort notre projet. Donc il faudra le maintenir. Je réitère mes propos. S'il y a lieu de le kidnapper, nous kidnapper nous nous nous voilà merci en grosso modo c'était ce que j'avais à dire. les gens ont des inquiétudes mais je dis que le projet a déjà réussi parce que comme on le dirait madame l'a dit tout à l'heure un problème bien posé est à moitié résolu et le le projet a permis aux MES de réveiller ce qui vivait en nous d'alerter ce qui ce qui était en nous et dès l'instant qu'on a le sens d'alerte je pense que que ce soit les parents, que ce soit les institutions, nous devons tous rester alertes, écouter, voir et essayer d'intervenir à temps. c'est ce qu'il nous faut comme nous dit, ci ñun ba nous waratuñoo toog nelaw défi que ça soit dans la maison que ça soit à l'école que ça soit dans la rue tout un chacun de nous doit avoir le sens alerte avoir vraiment euh, une vision euh, d'éveil d'alerte et d'écoute pour que vraiment à tout moment nous puissions intervenir pour que vraiment si nous avons une richesse nous essayons vraiment au niveau communautaire def un maillage comme le disait l'autre euh, comme la toile d'araignée fou que que toute la communauté soit euh, alertée pour que nous intervenions intervenir à temps parce que comme on le dirait, on n'a pas une plus grande richesse que nos enfants Moi, suis yi nga xam suñu richesse ñu allons pour que demain nous allons participer activement au développement du Sénégal Nous suñu suñu sens notre raison d'être à nous tous donc ñoo pour que nous avons réalisé. réaliser même pour la réussite de ce projet. Également, euh, Fatou Ramata Diallo. Merci à tous les acteurs. Vraiment, on est arrivé au terme de notre débat, de notre rencontre de suivi. Et si on a bien remarqué, les résultats vraiment attendus ont été atteints. Vraiment, parce qu'on s'attendait à, rappeler le cadre général et les objectifs du projet, voire les activités d'intervention réalisées et, les, et des recherches qu'on a présenté au tableau et l'approche et la stratégie de pérennisation. Donc beaucoup d'idées sont sorties sur la pérennisation. Et là, en tant que représentant de l'État, je voulais vraiment ait un peu le débat euh, sur, les, sur, sur les défis. Les défis vraiment interpellent la communauté euh, locale. Et le premier défi que je voulais vraiment mentionner, pour que chacun puisse euh, le savoir, c'est de rendre fonctionnel vraiment le centre ado. C'est ça qu'on doit faire au niveau local, avec vraiment l'appui institutionnel de la mairie et des autres euh, acteurs, pour qu'on puisse prendre une prise en charge effective et psychomédicale des victimes de violences basées sur le genre en rendant fonctionnel ce centre, on pourra vraiment assurer la prise en charge psychomédicale. L'assistance aussi judiciaire. On est dans un milieu un peu conservateur. Il faut que les gens aussi apprennent à dénoncer les cas de violence basée sur le genre pour que la justice puisse, euh, que la justice puisse vraiment faire des sanctions aux auteurs. Donc, comme le dit euh, l'adage Wolof, donc stop, arrêtons le Nepal. L'autre défi, c'est pour la prénisation, c'est aussi l'ancrage institutionnel. Euh, institutionnaliser les brigades des ados dans le cadre du comité local de protection de l'enfant. Nous avons ici un comité local de protection de l'enfant qui s'occupe de ces, problèmes de genre. Donc on doit préniser les brigades des ados dans le cadre de ces comités locaux de, protection de l'enfant. Et maintenant, enfin, euh, ce que tout le monde attend, c'est le besoin d'extension des projets. Tout le monde l'a dit. dit. C'est un besoin qui est là. En l'élargissant aux autres communes du district sanitaire. Vous savez, le district sanitaire de Tchadjaï polarise au-delà de la commune de Tchadjaï, mais les communes de Sesen, Sanjara, Fissel et Ndiaganyao. Donc nous sollicitons, dans la mesure du possible, à, nos partenaires Affaires mondiales Canada et CRDI, vraiment de l'extension de ce projet dans ces communes, pour qu'on puisse vraiment garder euh, les acquis qu'on a enregistrés pendant le déroulement du, projet WAR. Donc vraiment, euh, c'est ce que je voulais noter à l'endroit de, nos bailleurs qui sont venus nous rendre visite pour que vous puissiez euh, l'amener dans vos bagages et espérons que les, bailleurs et les autorités seront sensibilisés pour prendre en charge ces, demandes. Donc, au, terme de, ce, cet atelier de, rencontre, de suivi, vraiment, je remercie tous les acteurs, euh, le maire de la commune de Tchadjaï, euh, Elaj et son équipe. Vraiment, euh, ils ont été très présents dans nos différentes activités. L'ensemble des délégués de quartier, les 10 délégués de quartier, ont été effectués au niveau autour des délégués de quartier, les Badjanougor, les relais communautaires, euh, les jeunes ados qui sont dans les quartiers respectifs de Tchadjaï et l'équipe cadre du projet WAR, le, Madame Diallo, Madame Salle, M. Diata, et M. le coordonnateur, qui sont bâtir un pays émergent, un pays développé, il faut qu'on investisse sur la jeunesse et particulièrement sur la femme, qui est le berceau de l'humanité. Donc je remercie tout un chacun et souhaite à tous les acteurs un bon retour dans vos localités et que vive le projet WAR à Tchadjaï et environ. Je vous remercie. ba mel ni may kilifaam bu gënta amul woon fu may gisee dégg gënta indil ma lu sama dundo berndeelu may wool ma papa ba mën a mënti ko ci back. mu ne bal du ko fakul. nga xeej du ko